tey mu nekk bés bu bés bu mag si Ziguinchor ah, gis ngeen ko tey nii aéroport bi pratiquement depuis 1950 mi ngi ah, ay nit ñi ngi fi def te kenn mësul fi am ay liggéey bu am solo nii bu magee nii tey nag mu nekk ah, tàmbali liggéey bu ñu président Macky Sall sant mu ne aéroport Sénégal yëpp dafa bëgg mu nekk ay aéroport yu mucc ayib yoo xam ne. roplaan mën na jóge fu nekk si bitim réew ñëw daal fii si si si si Sénégal si yooyu nag mu jël après Diass mu jël Casamance mu def mu ne moom mooy ñaareeli suñu suñu selebe yoon boo xamante ni moom la ñu laaj ñu tabax ko selebeen yooyu mu jaar Cap Skirring mu nekk fii Ziguinchor mu nekk Kolda donc muy lu am solo loo xamante ni man mënu ma fi woon bañ a teewee tey fekkee lii parce que lii dafa en tout cas man lutax ma dugg ci politique développement Casamance tay mom moko tax te tay ak li day woné ni benen Sénégal lañu ñu tabax Sénégal bu ëllëg Sénégal émergent bu président Macky Sall di wax tey waa Ziguinchor mën nañu xam ne na fi ci aéroport aéroport bi suba di ngeen gis aéroport bo xamné ne bu muccu ayib la aéroport bu mucho ayib te lolu day nekk euh, euh, benn pàcc patch rek la

avion Ziguinchor mën na fi ñëwaat ci goudi parce que man dam damay tok Ziguinchor ñu ne ma soo guddee rek do mëna jël avion do mëna a lolu fi fii daf fi ñëw dañ ci si Ziguinchor nga xam goudé ak bëcëk avion yi mën fi ñëw mën fi ñëw euh, euh, fii nii Ziguinchor pour que population bi mëna mëna mëna doxi seen soxla te da day day baax si comme koomi gox bi parce que président de la République dafa gis ni euh, région Casamance désenclavement bi lu ñuy wax nga xam dafa sori won euh, muy euh, euh, nu mu zone économique yu tay yi Casamance aéroport yu fi nek da fay melni da ngay jógee Dakar ñëw Casamance dëmb rek mang koy wax mané ben euh, suñu suñu tab tabaxee lépp kenn mën Dakar dem agné Saint-Louis réré Ziguinchor wa Dakar té lolu luñ koy lu ko waral moy ambition président de la République bu mu wax moy ñu tabax Sénégal mu nek premier célébé te mu tàmbale ko Saint-Louis fan yi rek gis ngeen aéroport bu mucc ayib lañ fa tabax fii tam Ziguinchor ñu waa ñu fi ñëw tabax tam aéroport bu mucc ayib. oui aéroport aéroport bu ñu bu ñu président de la République sant mooy aéroport bu ma leen wax ni dañ koy dinañ ko euh, tàmbali liggéey bi si ay weer yuy ñëw si tëbi wala si ñaagis day nekk comme aéroport Saint-Louis day nekk même dimension aéroport international. piste 2500 mètres de piste mu nekk aéroport bu mucc ayib fii phase transitoire parce que Ziguinchor nag capitale régionale le bu mag la mënul toog ay at te du am aéroport moo président de la République ñu ne xaar boobu parce que beneen aéroport bi suñu koy tabax dina mat 18 euh, mois wala 2 ans ñaari at yooyu mun mënuñu ko xaar président de la République sant ma ma def fi euh, liggéey bu bu gaaw si juróom benn weer ma tabax fi loo xamante dina nek mom motax tax bu ñu ñuy xol naka lan lañ koy tabaxé lo xamné euh, duñ ci yak xaalis dina dina dina nek moyen coup ba pare dina yag ba pare mën nañ ko jëlat utiliser ko fenen ñu décider def ko en structure métallique. en structure métallique bobu nak mom moy nek fi ci aéroport bi on va le faire en structure métallique ñu tabax ko mais dina nek fonctionnel parce que 1200 mètres carrés la. Ziguinchor du est gis ni structure métallique la lu dinañu une aérogare beaucoup plus conviviale ba nga dinañu avion en toute sûreté Et donc aujourd'hui, avec cette démolition, euh, nous lançons effectivement le, le, démarrage des travaux de la réhabilitation de, de l'aéroport de Ziguinchor qui entre dans le cadre d'un vaste euh, programme de stratégie euh, de hub aérien au Sénégal euh, avec un ensemble de projets importants et urgents euh, dont le programme de reconstruction des aéroports du Sénégal, qui, dont le premier aéroport vient d'être inauguré, comme vous le savez, ce 14 juillet par le président de la République, l'aéroport Ousmane Masek de Saint-Louis. Et donc l'aéroport de Ziguinchor entame sa, sa mue, donc sa, sa transformation, d'abord avec une une phase euh, provisoire d'urgence en structure métallique, donc 1200 mètres carrés, qui pourra permettre dans six mois aux passagers de Ziguinchor euh, de, venir euh, directement à Ziguinchor. Mais à, partir de février, sa reconstruction complète dans le cadre de ce programme avec les Tchèques qui nous accompagnent pour la mise en œuvre de cet important programme de réhabilitation et de reconstruction des aéroports euh, du Sénégal. Oui, en termes d'aérogare, oui, il y aura ça sera une, aérogare beaucoup plus conviviale avec 1200 mètres carrés. Donc ça n'aura rien à voir avec ce qui existait déjà à Ziguinchor. Les Ziguinchorois pourront être dans une aérogare fonctionnelle aux standards internationaux. Donc c'est aussi le pari que le président de la République a pris de mettre nos aéroports euh, euh, régionaux euh, à, des standards internationaux permettant de, de, jouer un rôle de hub. Ce hub du Sud, dans ce programme de hub aérien, je le rappelle, euh, la, la sera la deuxième plateforme aéroportuaire du pays. La Casamance sera la deuxième frontière aérienne du Sénégal après, après Dias. Donc la Casamance, quand je dis la Casamance, c'est l'aéroport de Kolda. On va aller dans quelques jours J'espère, je ne sais pas si euh, le, temps de cette fin de campagne me le permettra, mais en tout cas, j'irai également dans quelques jours lancer effectivement également euh, les travaux de, euh, de l'aéroport de Coldal. L'aéroport de Cap a déjà démarré depuis l'année dernière, où nous avons pu sauver la saison touristique en Casamance au bout de 75 jours. Donc cet aéroport aussi, ça sera dans le même rythme pour le même rythme, six mois, je disais à l'entrepreneur que désormais on mettra un minuteur au démarrage des travaux pour que tous les Ziguinchorois puissent savoir que quand AIBD SA, qui est au cœur de cette transformation, euh, veut respecter les délais, AIBD SA respecte les délais de transformation de nos aéroports euh, qui doivent être euh, une, une, une, opportunité euh, de, résorber en tout cas le gap et de, de, euh, de, reconstruire cette, cette, équité territoriale. Le président de la République a voulu que, euh, rapprocher les territoires périphériques pour devenir des centres dans, dans, dans la politique économique et, du Sénégal. Donc c'est pour cela, c'est important, en tout cas en, tout cas, en, tant que fils de Ziguinchor. Le, euh, euh, la le développement de la Casamance a été un des, en tout cas, un des leitmotifs qui m'a qui m'a poussé à entrer en, dans la vie politique. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une fierté pour moi euh, d'être à la tête d'une structure nationale qui à partir de cette structure nationale, euh, permettra de construire trois aéroports internationaux dans ma Casamance naturelle. Euh, le, coût, euh, aujourd'hui on est dans une phase transitoire, donc le coût on viendra puisque là c'est l'aérogare, la, piste euh, dans quelques jours également. je vais revenir ici pour, avec l'entreprise qui a gagné le marché pour lancer le démarrage de la reconstruction de la piste, de la réhabilitation de la piste qui va durer là trois mois. Donc une fois qu'on aura tous ces marchés, on pourra définir le coût global de, cette, euh, réalisation. Mais ce qui est important, c'est l'ambition du président de la République de, mettre à Ziguinchor un aéroport de dimension internationale avec les standards internationaux. Donc c'est très très important. Et donc aujourd'hui, et de surtout de sécuriser euh, le, le, le, mur de, de la, les périmètres aéroportuaires. J'ai vu euh, une, une polémique stérile quand on a parlé, quand j'ai parlé dans un, dans un communiqué quand AIBD a dit l'aéroport de Saint-Louis a coûté près de 30 milliards, alors que le coût réel de l'infrastructure à Saint-Louis était de 23 milliards. Le coût de l'entreprise était de 23 milliards. Euh, les, euh, je dis, euh, les, gens qui ne sont pas du métier, ils savent, un aéroport, ce n'est pas seulement, pas seulement une, aérogare et des pistes, c'est un mur de clôture pour sécuriser les périmètre aéroportuaire. Si on avait fait cela il y a 30 ans, il y a 40 ans. Si on avait un président Macky Sall, comme le président Macky Sall, qui nous, qui nous instruit à construire d'abord la piste, le mur de clôture pour, pour sécuriser l'enceinte aéroportuaire, pour permettre à nos aéroports d'être plus sûrs et d'être plus sûrs, on ne serait pas arrivé aujourd'hui à devoir déplacer notre aéroport de Ziguinchor pour en reconstruire un autre pour, pour que la rende internationale. Parce que cet aéroport aujourd'hui, avec euh, euh, les, servitudes qui ont été euh, en tout cas bouffées par les occupations, ne peut plus être un aéroport international. Donc si on veut un aéroport international, on a le devoir de le déplacer. Euh, je pense que le président de la République a donné des indications très précises hein, en Conseil des ministres et pendant plusieurs euh, de ses euh, communications. Le président de la République nous a instruit d'étudier deux sites entre Tobor, Tebi précisément, c'est Tebi précisément, c'est Tebi et Niagis. Donc mes équipes sont en train de, travailler sur, sur, ces études. Donc un aéroport, c'est d'abord l'ingénierie. Hein. donc ce n'est pas dans n'importe quel sol qu'on pourra construire un aéroport. Donc en tout cas, moi, je ne me permettrai pas de donner aujourd'hui euh, un, site si je n'ai pas le retour des ingénieurs qui sont déjà lancés, qui ont déjà lancé cette étude depuis